Aujourd'hui, on procède à la distribution de 700 moutons à des familles vulnérables. On est là avec eux afin de les accompagner pour la fête du sacrifice qui demande beaucoup de dépenses, en tout cas au Sénégal, aux, familles vulnérables. Donc c'est pour cela qu'on est là aujourd'hui, pour que ces familles puissent fêter dignement la fête. Et en plus de cela, ce qui est important dans ce projet-là, c'est qu'il y a des groupes de femmes qui se situent à Kumpantum et qui aujourd'hui que le CIF a accompagné dans la mise en œuvre d'AGR. Et c'est ces mêmes groupements de femmes-là qui ont fourni 540 euh, moutons pour qu'on puisse les donner aux familles, aux ménages vulnérables du département de Rufus. Et en dehors de cela, ce projet aussi permet de soutenir et de former des euh, jeunes qui ont des projets novateurs ici, dans le département aussi. On intervient à Barnier, à Bambilor et à Sebikotan. Et nous avons bien sûr des critères de choix parce que c'est les ménages vulnérables, les ménages qui n'arrivent pas à euh, subvenir à leurs besoins qui sont choisis pour ce projet-là. Cette distribution, on peut dire que c'est assez particulier parce que c'est dans le contexte de la, de la Covid-19 ici au Sénégal. Et en dehors de demander aux gens de se laver les mains, on leur a aussi doté de masques, voilà, ce qui leur permet de se prémunir de, de la maladie. boo amul kay ni jox la loolu kay amna na man nga nek sa amna na kulay may kay kooku même bo amé kulay may mom. njëriñ dal nga si gis Amna na wax deug Yalla. kontaan nañ ci tamit. masque bi ah xana def ko ni rek pour ar fièvre bi xam nga fièvre bi mom muy ci rewum. Ñepp xam nañ ko moo tax bu ñu masque bi rek ñu sol ko. ñu noonu ñu aar suñu bopp ñun daal gis nañ ci suñu bopp daal.